Ladies and gentlemen, nous recevons une fois de plus le beatmaker Nicky Larson. Nous recevons une fois de plus le musicien Nicky Larson pour parler de ses œuvres artistiques, pour parler de ses collaborations avec les artistes nigériens et d'autres aussi artistes connus à travers le monde. Nick, on the beat, Dondi, on the track. Je te souhaite <laughs> la bienvenue sur l'émission tout ça à la fada, l'artiste s'exprime. Nick, ça va, tu vas bien Oui, ça va, super. Hier, on a déjà promis aux jeunes, ou bien on a promis à tous ceux qui kiffent cette émission qu'on va revenir le dimanche pour parler un peu, euh, n'est-ce pas, euh, de tout ce que tu as eu à composer. Bon, pas tout, c'est trop, c'est trop dit. Beaucoup, hein. Mais surtout tes collaborations avec, euh, bien évidemment, les artistes Tu dis que c'est beaucoup ouais, c'est beaucoup. Tu as une idée de ce que tu as fait déjà comme beat C'est beaucoup, hein. Juste une idée, juste une idée. Les instrus seuls, je, suis crois. Seul. J'ai dépassé la barre des, 7000. 7000 hein. instruits. Ouais. <laughs> Depuis que je fais les mots, j'ai dépassé les 7000 instruits. Ah, depuis tes 5 ans jusqu'à aujourd'hui Bah ouais, bon, il faut dire que j'ai réellement commencé le beatmaking euh, quand j'ai fini mon, mon BEPC, mon brevet d'études de premier cycle. Ah ouais Ouais. On est, dans les années 98 là, 98, 99, 2000. Wow. Ouais. <laughs> C'est fou ça. Et tu travailles quoi le premier logiciel que tu as commencé à toucher, c'est quoi c'était un logiciel de rien du tout, hein, euh, en ville studio, un logiciel, un séquenceur, MIDI. Ok. Et il euh, faut dire qu'à l'époque, je savais pas trop euh, que les MIDI, il fallait un clavier. Donc j'ai tout composé à la souris. D'accord. Et on m'a dit aussi que tu touches à tout, guitare, djembé, et tout ça. Explique-moi un peu. Alors, je ne vais pas avoir la prétention de me mesurer aux professionnels de chaque instrument. Mais il faut dire qu'à l'origine, je suis, euh, je fais un peu de piano, je suis batteur. Euh, mais tout ce qui est percussion euh, traditionnelle, j'arrive à y jouer aisément. Euh, Parlons un peu de vos, de tes productions avec les artistes nigériens. Voilà, ben, j'ai quasi produit la totalité des sons de Al Radik. Ok. À partir de, des derniers sons qu'il a eu avec Nouvelle Donne déjà. À partir de là, toute notre collaboration a continué jusqu'à aujourd'hui. J'ai travaillé avec euh, j'ai travaillé avec euh, Safia, j'ai travaillé aussi euh, avec MDM, MDM, euh, tout, tous leurs albums, leur double album qu'ils sont en train de faire. j'ai, eu, la chance d'être. Voilà, j'ai travaillé aussi avec Philo de Hard J'ai travaillé avec plein d'autres gars. Ils sont tellement nombreux. je ici au Niger seul. Hein. Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut aussi avoir notre artiste de renommée internationale avec lequel tu as travaillé, que ce soit ici au Bénin, au Burkina, en Afrique, aux États-Unis, un ou deux euh, J'ai eu la chance de travailler avec Smarty. Smarty. avec le Yellen d'ailleurs. Travailler avec le Yellen, j'ai travaillé avec Nix. Nix. Du Sénégal. Du Sénégal. Voilà, j'ai eu cette chance-là. J'ai travaillé aussi. Euh, avec euh, des artistes français. Ok. C'est, il faut dire qu'on est en, on est en cours. on a un projet avec Weshden de la France. Euh, on est toujours en train. Non, je suis pas censé dire ça. Super. <laughs> Il y a plein d'autres artistes aussi aux États-Unis avec lesquels je travaille en ce moment. Les artistes Nick, dans en un mot, est mondialement mondialisé. Nick a travaillé donc <laughs> euh, avec tout le monde, les and gentlemen. Nous sommes à la fin de cette deuxième partie. un compte YouTube, comment te retrouver, un numéro de téléphone, en tout cas, euh, quelque chose qui va permettre aux artistes de te retrouver parce que c'est de ça là aussi qu'il s'agit, ouais. Nick. Ben, j'ai un Instagram. Insta. Nicky Larson euh, officiel. Euh, j'ai euh, un Facebook, Nick Larson Beatmaker, sur lequel on peut me voir même en, live, en direct. Je fais des directs ou je fais des, beats en direct. <laughs> Ainsi parle donc Nicky Larson. Merci, Nick on Beats. Merci à toi, Dondi. D'être passé au studio. Merci. Hey. Hey. <laughs>